le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la clôture lundi dernier de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, suivie à ce sujet euh, le mercredi suivant d'une déclaration des organisations de la société civile indignée par le vote sans modification du projet de loi des finances 2018. L'actualité, c'est aussi l'ouverture mercredi du premier forum national de la sécurité et de défense organisé par la nouvelle structure chargée d'élaborer des stratégies à la matière. Au plan médiatique, le Conseil supérieur de la communication a procédé à la publication de son rapport d'étude des audiences des télévisions et des radios au Deniamin. Au plan des tribunaux, le syndicat autonome des magistrats du Niger a entamé mercredi une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national, ralentissant le fonctionnement des services de la chaîne judiciaire. Et enfin, nous tenterons de tirer euh, des leçons de la dixième édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, qui a regroupé au Palais des Sports euh, de Niamey plusieurs pays de la sous-région avec nous euh, ce soir, avec nous en ce moment pour développer ces thèmes. El Mahamadou, Alay Suleiman Mahamadou, journal, du journal en ligne Niger en terre. Suleiman Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Murtala Mamadou, journaliste l'hebdomadaire satirique La Griffe. Murtala Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Ousseini Issa, journaliste indépendant euh, qui n'est pas encore dans ce studio. Lundi dernier, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 a été clôturée à Niamey. Cette session qui a duré deux mois et a surtout été marquée par l'examen et l'adoption de la loi de finances 2018 arrêtée en recettes et en dépenses à un peu plus de 1900 milliards de francs CFA. Alors, euh, Alaji Suleiman vous êtes journaliste à Niger Inter. 48 heures après la clôture de cette session, les organisations de la société civile sont montées au créneau pour exprimer leur mécontentement. Quel commentaire, Alaji Suleiman euh, ben, C'est quand même mon premier euh, euh, élément, en tout cas, pour l'observation que je fais, c'est que c'est une loi quand même qui a suscité beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup, beaucoup de débats. Euh, la réaction de la société civile euh, n'était pas seulement euh, subséquente en fait, au vote, c'est bien avant. On se rappelle, il y a eu même des émeutes, des casses, justement, suite au mort de, Akati qui a été dissoute par le ministre de l'Intérieur. Euh, donc, ben, je pense que c'était prévisible que la société civile, puisque même quand euh, les acteurs de la société civile, des citoyens ont rencontré donc, euh, la, les parlementaires, notamment la commission des finances, ils ont dit, bon, en fait, c'est une façon, donc, de, ils ont transmis leur... observations et recommandations. Maintenant, ils attendent de voir le traitement qui allait être fait. Donc, c'était prévisible qu'effectivement, si leur précautions ne sont pas prises en compte, ils allaient effectivement réagir euh, et ils ont fait un appel donc à manifester pour le 21 euh, décembre prochain. Euh, de façon générale, ce que nous observons, ce c'est que la loi effectivement a été adoptée. la seule précision, parce que ce n'est pas une modification en tant que telle qui a eu lieu, c'est par rapport à la disposition sur euh, la, taxe sur la, sur, sur la, section mutation qui, ils ont, précisé, par rapport à ils ont précisé effectivement pour lever tout équivoque que c'est bel et bien après distribution de l'héritage que on va donc procéder lorsque les ayants droit aller procéder donc à la mutation en tant qu'État donc pour faire euh, euh, leur bien, donc euh, ça va euh, venir à leur, à leur nom. C'est à ce moment-là que peur Donc là, c'est vraiment la, la principale précision qui a été faite au niveau du texte. Donc bon, là, dans, l'autre, ce que effectivement, c'est donc au début, ce qui s'était passé au début, en tout cas, la même discussion, donc la même incompréhension entre la société civile et donc les pouvoirs. désormais, donc, L'arbitrage des parlementaires n'a pas donc euh, euh, satisfait la société civile, donc le débat il est là. Euh, le, débat est là. Murtala de l'hebdomadaire satirique La Griffe. vous avez certainement suivi avec intérêt le discours de clôture du président de l'Assemblée nationale. Que peut-on retenir de son discours Alors, à la clôture de, de, la, de la session, de la dernière session du Parlement, euh, euh, c'est que moi personnellement, je, trouve intéressant dans le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, c'était les aspects qui avaient trait à la culture du patriotisme et du civisme qu'il avait, euh, auquel il avait vraiment invité les différents citoyens de, la République tunisienne. C'est aussi un peu glissé sur le terrain de, de, la religion. Sur le terrain de la religion, peut-être parce que c'était, il y avait un contexte qui est là c'était celui de toute la polémique autour d'une disposition de, la loi de finances qui était sujette à toute la contestation que vient de rappeler euh, le grand frère Alain Soleiman. Donc, voyez-vous, euh, il ne pouvait, à de, de mon point de vue, passer sous silence cet aspect qu'il se devait de repréciser peut-être aux besoins. Donc euh, voilà peut-être les aspects qui, de mon point de vue, m'ont euh, beaucoup euh, intéressé dans, son propos, mais peut-on peut-être lui reprocher d'avoir essayé encore de tirer la couverture d'un côté au détriment de l'autre eh Bien, c'est une lecture qui est toujours faisable, tout comme on reproche aujourd'hui à tout acteur qui ne serait-ce de quelque bord politique qu'il soit ou non pas politique, qui essaie de prendre euh, son courage en, main pour pouvoir euh, se prononcer sur une question. Euh, d'un côté comme de l'autre, on trouvera toujours des personnes pour lui prêter des, intentions ou un rapprochement avec tel bord ou tel bord politique. Donc on ne peut pas s'en passer. la réaction de la société civile, je dis, c'est dans la droite ligne de, la conduite qu'ils avaient adoptée bien avant. On se souvient peut-être peut-être que ce n'était pas ces organisations qui étaient organisatrices de la manifestation qui avait dégénéré, mais elles étaient quand même euh, en avant-garde pour s'opposer euh, à, certaines dispositions du projet de la loi des finances qui sont aujourd'hui passées dans la loi, donc qui ont euh, été validées par les, parlementaires. Il reproche aux parlementaires de ne pas avoir su faire des propositions, mais soyons sérieux. Nos parlementaires sont-ils suffisamment outillés pour faire des propositions afin de modifier un texte Je ne pense pas qu'ils le soient. Nous rappelons à nos auditeurs que Hussein Issa, journaliste indépendant, vient de nous rejoindre dans ce studio. Hussein Issa, bonsoir, bienvenue. merci et je m'excuse du retard, du léger retard que j'ai accusé dû à des impondérables. Issa, vous êtes journaliste indépendant. Euh, la société civile menace de sortir le 21 décembre pour fustiger le vote favorable de cette loi de finances 2018. Pensez-vous que la manifestation pourra changer quelque chose après tous les débats que le sujet a suscité euh, dans le pays euh, je commence par dire que quand la société civile a décidé de manifester, il faut rappeler en amont que il y a eu déjà une tentative de manifestation qui n'a pas pu prospérer. Et les organisateurs de la manifestation ont été arrêtés et en prison pendant au moins quelques jours. Maintenant, euh, par rapport à est-ce que la manifestation va réussir, est-ce que ça va pas réussir, ça va dépendre de quand la loi va entrer en vigueur, quand les gens vont sentir, les populations vont sentir dans leur chair, ce que ça va impacter. Parce que dans tous les cas, <coughs> la situation des Niger n'a pas changé, je suis désolé. Ça a connu plutôt une décroissance. Quand les gens vont sentir, parce que quand on dit, je me rappelle, je fais partie de ceux-là qui ont lutté en 2005 avec le Noir Zika, le Maramadou, par rapport à la TVA. Aujourd'hui, ceux qui ont été, les taxes qui ont été créées, les impôts, c'est encore plus dur que ce qu'on a vu ce qu'on avait combattu en 2005. Maintenant, ça va dépendre. Je ne dis pas que ça va marcher, ça ne va pas marcher, mais quand les gens vont commencer à se sentir concernés, quand les gens vont commencer à sentir ça dans leur chair, à ce moment, certainement qu'il y aura des réactions. Peut-être ça va être des réactions individuelles. Mais toujours est-il dit que quand une situation est là, il n'est pas évident, du coup, 21, est-ce que la marche euh, va euh, permettre à l'exécutif de, de, Non, je ne dis pas, ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que <laughs> la loi n'est pas encore entrée en vigueur. la loi, va entrer en vigueur, va être en vigueur à partir du 1er janvier 2018. C'est à ce moment, quand ça va entrer en vigueur, quand les gens vont voir sur leur facture d'électricité, quand ils vont voir sur les factures, les différences, quand ils vont voir sur les prix parce que tout simplement, un commerçant est là. Il cherche à faire des bénéfices, je suis désolé. Que ce soit un taximan, que ce soit un transporteur interurbain, il cherche à gagner. Autre aspect de ce forum, c'est l'ouverture mercredi à Niamey du premier forum national de la sécurité et de défense le forum est organisé par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES. La rencontre vise à recueillir les contributions des différents participants en vue d'élaborer une politique nationale de sécurité et de défense pour le Niger. Euh, le général de brigade Ibra Boulamamoussa et le directeur général du CNES, on l'écoute. Cet événement constitue une étape importante dans le processus d'élaboration de la politique nationale de sécurité et de défense. Vos contributions et recommandations à ce forum nous permettront d'affiner nos termes de référence de l'élaboration de cette politique nationale. Ce ne sera pas la dernière occasion de nous retrouver autour des questions de sécurité et de défense, car l'élaboration de la PNSD obéit à un processus itératif. Aussi, nous reviendrons vers vous pour présenter le travail accompli et recueillir vos avis et amendements avant d'entamer une phase suivante. Nous voulons marquer ainsi une rupture avec les pratiques anciennes qui consistaient à élaborer et mettre en œuvre des dispositions sécuritaires sans associer les populations concernées. Nous sommes confortés dans notre approche, d'autant plus qu'il a été prouvé que toute politique publique de sécurité et de défense qui est développée en dehors de toute appropriation préalable des questions sécuritaires par la société civile, les chefs traditionnels, les organisations féminines, les jeunes et les acteurs locaux et régionaux, est probablement vouée à l'échec. Murtala Mamadou de Madère satirique La Griffe, le Forum national de la sécurité et de défense, que peut-on entendre de cette rencontre dans ce contexte particulier de sécurité euh, avant de venir peut-être à ce qu'on pourrait attendre de, cette rencontre, euh, il me plaît peut-être ici de, de, saluer le fait qu'aujourd'hui on daigne enfin euh, changer d'approche pour se dire que la défense et la sécurité ce n'est pas que l'apanage du seul appareil sécuritaire ou du seul des seuls décideurs, c'est la décideur c'est c'est c'est cela que doit concerner tout le monde. Enfin, euh, qu'on se rende compte ce qui est déjà bien. Euh, l'organisation du forum en, lui-même, c'est en elle-même, du moins, euh, ça quand même qu'on on sort le débat sur la défense au-delà du, cadre militaire, ouvert à d'autres compétences, à d'autres aptitudes. Comme l'implication des, des, des, populations locales. Des populations locales surtout, mais aussi à d'autres euh, savoir-faire, à savoir parce que le CNS est quand même un conseil qui est doté d'un conseil scientifique où des chercheurs quand même aguerris sur beaucoup d'autres disciplines euh, sont, se réunissent pour voir. Donc aujourd'hui, on est dans une approche beaucoup plus globale. Euh, ce qui va permettre, à mon avis en tout cas, euh, de, produire un travail qui sera beaucoup plus avancé, beaucoup plus élaboré et qui, dont il sera beaucoup plus facile à implémenter au niveau local parce que les populations ont été en amont euh, impliquées dans l'élaboration parce que leur avis va, être pris en compte. Donc le forum va permettre de, pouvoir disposer peut-être d'un premier draft de, de, la politique nationale de défense et de sécurité et qui va être maintenant soumis à l'appréciation de qui de droit au niveau des différentes instances de, défense et de sécurité qui vont apporter les, les, relectures nécessaires qu'ils vont juger utiles. Et donc, euh, pour, pouvoir doter notre pays de, cette politique qui, euh, je dis peut-être, c'est parce qu'elle nous a fait défaut que certaines euh, euh, avalanches d'actes malheureux se sont succédés chez nous. journaliste indépendant, L'opposition politique nigérienne et les non-affiliés ont été conviés à ce forum. Ils ont finalement décliné l'offre. Comment expliquer euh, cette non-participation de l'opposition et les partis politiques non-affiliés en réalité, vous savez, les questions de défense et de sécurité, c'est des questions qui concernent tout le monde. Il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement, malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a fait comme si les autres ne sont pas concernés. Les populations ne sont pas concernées. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut impliquer tout le monde. Est-ce que c'est une avancée Je trouve que c'est une avancée. Parce que dans tous les cas, dans tous les cas, parce que les questions de défense et de sécurité, ça concerne tout le monde. Le paysan qu'on vient tuer dans son village là, est-ce qu'il est protégé par un policier ou pas On doit l'associer. Quand il y a des situations comme ça, des situations d'insécurité, de, de, de, de, machin, de terrorisme, de, de djihadisme, on doit associer tout le monde. Mais malheureusement, et je pense ils ont trouvé que finalement, ça ne va pas marcher de la manière dont on voulait conduire les choses. Et il faut que ça soit transparent. Que de la manière où on appelle les gens à venir s'asseoir, il faut que quand les actes vont être posés, certainement que les deux banques n'ont pas participé. Ils ont décliné l'offre. Ils ont décliné parce que peut-être ils ont leur raison. Le combat a été mené depuis pratiquement des années sans qu'ils soient associés. On a considéré que qu'ils soient là ou pas, voilà nos priorités. Nous, nous allons faire ça de la manière dont nous, nous, nous avons notre perception. Mais il fallait associer dès le départ. Dès le départ, il fallait associer ces deux groupes-là pour que le combat puisse être efficace. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On demande aux populations d'être et, de collaborer. Mais le problème qui se pose à l'intérieur, c'est que la personne qui collabore, le chef de village, on a vu dans la région des différents, on vient, on prend des enseignants, on les égorge. Il y a eu quelque chose après Absolument rien du tout. Rien du tout. On vient, on enlève des populations, on cible les gens qu'on doit enlever, on les enlève, on les amène. Est-ce qu'il y a une, une solution c'est ça en fait la difficulté. Mais quand on associe dès le départ dans des questions de sécurité les populations à la base, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un résultat. Parce que tout le monde va être solidaire. Tout le monde va être solidaire, tout le monde va faire la lutte. Mais quand on, on prend euh, de manière ciblée quelques individus, on veut les associer, mais on expose la vie de ces individus-là, malheureusement. Alhaji Suleiman Mahamadou euh, du Niger Inter, que peut-on retenir de significatif à l'issue de ce forum euh, Bon, tout à l'heure, euh, Murtala le disait, le CNES, c'est quand même le plus important, c'est un organe qui vise essentiellement à soit des stratégies et par conséquent l'élément le plus important, c'est que quand face au terrorisme, ce n'est pas seulement la guerre physique, euh, la guerre traditionnelle, euh, les armes, non. Il va falloir donc euh, mettre en avant la réflexion et on fait appel aux chercheurs de, dans plusieurs domaines qui peuvent réfléchir à comprendre les phénomènes. C'est très très important. je ne suis pas tout à fait d'accord. on ne peut pas expliquer s'il y a des problèmes politiques les politiques doivent les régler. Mais la question de sécurité, particulièrement dans ce cadre où il est question vraiment de réflexion, l'opposition a tort de ne pas participer. Parce que pourquoi selon vous mhm. Oui, parce que simplement, le pays reste et demeure, les hommes passent. Demain, ils vont avoir, et je pense que c'est leur but en tant que parti politique, d'avoir la gestion euh, du pays. Donc, par conséquent, dès que les questions de sécurité et bien d'autres questions, en tout cas d'intérêt général, il faudrait savoir s'effacer pour laisser vraiment euh, s'exprimer vraiment euh, à pour vraiment l'intérêt général. Euh, vraiment, j'ai lu le communiqué de, de, de, de, de l'opposition, vraiment à expliquer. Non, moi je pense que s'il y a des problèmes, la politique de la chaise vide, oui, ça peut être une option, mais vraiment pas face à des questions comme celle-là, la question de la sécurité. L'opposition politique nigérienne pense que trucs, euh, deux de part, ils ne, sont, pas impliqués dans le, cadre de la lutte contre l'insécurité. Euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, euh, mais je sais que même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quand même une commission sécurité. les choses, disons, vraiment, moi je pense que il faut, comme dirait l'autre, savoir garder raison. On ne peut pas tout politiser ce cadre-là, c'est d'abord un cadre de réflexion scientifique. Et je pense que l'opposition a des cadres vraiment, des intellectuels, qui peuvent venir, ne serait-ce qu'au niveau de ce cadre-là, au moins interpeller les dirigeants, en tout cas, qui sont quand même aussi, euh, des gens en tout cas, euh, euh être peut-être, euh, parce que quand même le, le, patron de la, de, la chose, c'est avant tout un militaire. Donc au moins, venez au niveau de ce cadre-là, interpeller qui de droit que nous sommes venus mais si vous voulez vraiment que les choses changent, voilà en tout cas nos griefs, voilà ce qu'il faut faire. Mais ne pas venir euh, euh, chercher vraiment à justifier ce qui n'est pas justifiable, je pense que c'est un peu une fuite en avant. Le Conseil supérieur de la communication CC a présenté mardi son rapport d'étude d'audience des télévisions et des radios et des radios de Niamey. Euh, comment aviez-vous apprécié euh, les résultats de cette euh, étude qui est une première, il me semble, à la Suleiman Mahamadou euh, du Niger Inter Que peut-on apporter cette que, cette initiative du Conseil supérieur de la communication pour le public et les institutions de la République Ma première remarque, c'est que c'est une initiative assez intéressante qui viserait non seulement à interpeller donc les acteurs, euh, les patrons de presse, les journalistes et tout le monde pour qu'il y ait une culture de l'excellence. Ça, c'est le premier quand même euh, intérêt. Ça veut dire que maintenant, euh, Bonferré est considéré comme euh, la première, Dunia deuxième. La, la télévision, la, plus suivie. Oui, la plus suivie. Et, justement, c'est un classement. Donc, elle, vient en, premier lieu. Dunia deuxième. Donc, vous voyez, cela veut dire que ce truc-là, vraiment, est, est, très, très euh, bienvenu parce que simplement, maintenant, les autres, vous cherchez maintenant à mieux faire. Parce qu'on a donné des arguments pourquoi, en fait, les autres sont suivis, qu'est-ce qu'il qu'il y a. Donc, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Mais, de façon euh, euh, générale, moi, en tout cas, quand j'ai suivi le résultat, je ne suis pas vraiment surpris. Je ne suis pas surpris parce qu'effectivement, les deux télévisions qui sont vraiment primées, en tout cas, de mon point de vue, euh, même si on m'a demandé personnellement de les classer, je ne peux pas passer outre ces deux télévisions. Parce que simplement, elles apportent, euh, il y a une certaine diversité au niveau de leur programme, en tout cas, il y a des émissions qui intéressent les, euh, vraiment l'opinion, qui intéressent en tout cas les Nigériens tout court. Euh, donc, de mon point de vue, c'est une très bonne chose et c'est cela vraiment un, un, début, en tout cas, pour qu'il y ait un, peu, un travail vraiment qu'on vise à l'excellence. Parce qu'il il y a, il faut le reconnaître, nos télévisions ici, il y a vraiment des programmes, souvent, on se pose la question, on fait la même chose. Il faut vraiment un peu d'initiative. Quand je prends, par exemple, euh, aujourd'hui, elle a des émissions, un excellent exemple, euh, l'émission à, à domicile euh, vraiment, j'ai dit chapeau à cette initiative que, par exemple, ça véhicule des valeurs. Euh, notre histoire qui est récente, on apprend beaucoup de choses. Donc, euh, vraiment, je pense que j'encourage en tout cas le CSC et vraiment, maintenant, ce qu'il faudrait effectivement qu'il y ait des précautions, que le consultant, en tout cas, véritablement, puisse aussi euh, mettre la science en avant par notre considération. Ousseinissa, journaliste indépendant, Comment vous appréciez le travail du cabinet de consultation ayant mené cette étude d'audience des radios et télévisions de Niamey bon, mais Vous savez, <laughs> quand vous, vous pouvez vous-même consulter en interrogeant les gens, quelles sont les télévisions les plus suivies Par rapport à quoi ces télévisions sont suivies Voilà l'enjeu. Une télévision, c'est l'audimat, comme la radio d'ailleurs. C'est l'audimat. Est-ce que les gens suivent Pourquoi les gens suivent Quelles sont les émissions qui sont les plus suivies Bien évidemment, quand on veut, on ne peut pas tricher sur des questions comme ça. Parce que quand on le fait, on se discrédite. Le CC était obligé de faire un travail honnête pour dire voilà euh, les télévisions qui sont <laughs> les plus suivies. C'est comme par rapport aux radios. En famille, moi personnellement qui vous parle, à midi 30 quand je ne suis pas en famille, je cherche à, suivre le soir à 19h Qu'est-ce qu'il y a comme information Parce qu'il y a au moins un travail qu'on essaie de faire. Un travail qui ne se limite pas uniquement à Niamey. On me dit ce qui s'est passé à Difa. On me dit ce qui s'est passé à Maradi, on me dit ce qui s'est passé. Et pas de, de manière, on ne survole pas. Parce qu'il y a un correspondant dans ces régions-là. Voilà la différence. Et il faut que les télévisions comme les radios essaient de faire cet effort-là pour trouver des correspondants qui vont remonter l'information. C'est un peu difficile au niveau des journaux parce que ce n'est pas évident. Les journaux, c'est un peu difficile. Mais au niveau des radios, il y a toujours un correspondant qui est là, même si c'est un correspondant, un journaliste qui travaille au niveau du public. Il peut être là pour pouvoir relayer un peu d'information. Peut-être le traitement ne serait pas le même que le traitement au niveau de, de, de, de la radio publique. Et il va au moins se l'information. Et moi, je dis, c'est important. Donc, c'est le, vous, le, consultant a fait un travail honnête. Mais moi, je pense qu'il a fait un travail objectif. Moi, pour moi, il fait un travail. Il a fait, je sais pas la démarche qui a été suivie. Je pense que c'est un truc de, c'est un travail qui a été fait sur la base de, de, de machin, d'un échantillonnage où on a interrogé les gens. Et c'est sur la base de ça que on a classé les médias. Et je pense que c'est un travail qui doit être suivi, c'est un travail qui doit être perpétué pour que les gens puissent s'améliorer. Parce que tout simplement, un média, de mon point de vue, quel qu'il soit, il doit chercher à être objectif. Quand on suit RFI, quand il y a clash dans le gouvernement, en France, on le dit. On le dit. C'est un média pourtant français. Le gouvernement, on le dit quand il y a clash. CNN, comment s'appelle la, AFP, et, la, France 24. oui, bien sûr, la radio, comment s'appelle, BBC. Et quand il y a clash, ils le disent. ils disent c'est quoi le problème. Mais les médias ne doivent pas taire. Parce que c'est ça le rôle essentiel des médias. Quelle que soit ta position, tu dois pouvoir dire voilà le problème qui se pose. Et l'exposer pour que le public puisse sentir. Mais pas n'est pas le terme, parce que moi, je, suis, je considère que je, non. Quand la euh, euh, je vais, euh, comment s'appelle là, cette radio-là, c'est le nom que, pas BBC. La voix de l'Amérique. On dit, c'est la position du gouvernement américain. Pas la position du journaliste. C'est la position du gouvernement américain. Le journaliste fait son commentaire. Il fait son analyse par rapport à cette position-là. Et c'est ça les médias. C'est dans ce sens-là les médias doivent prospérer. C'est ça l'indépendance des médias. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, quelle importance ou impact euh, peut avoir, peut avoir cette euh, étude d'audience euh, dans l'espace médiatique nigérien Bien, euh, parlant de l'importance, de mon point de vue, il y a quand même euh, euh, un intérêt assez particulier pour les, organes de médias et pour nécessairement aussi pour l'organe de, régulation on ne peut pas dire que, que ça a une importance moindre ou quelque chose. Non, c'est une grande importance et surtout, le doigt Issa Hussein l'a rappelé, c'est un travail qui doit être perpétué, continué. Euh, maintenant, euh, euh, l'impact que ça pourrait avoir, c'est peut-être d'inciter les autres, les organes de presse à pouvoir travailler un peu plus sur leur programme et peut-être, pourquoi pas, initier à leur niveau des enquêtes qui vont leur permettre de savoir quelles, quelles sont les émissions qui sont les plus appréciées, les plus suivies et, et afin de pouvoir corriger, ou euh, rectifier les tirs. Euh, il ne s'agira pas peut-être d'adopter une certaine euh, posture qui consiste à dire bon ok le classement nous a mal positionné. ça veut dire que ça a été mal fait, nous on n'a rien à perdre. Non, il faut se dire, si on est en bonne position, c'est parce qu'on fait des efforts et il ne faut pas s'en contenter, il faut en faire plus. Et ceux qui sont mal classés, c'est de se dire que particulièrement parce que nous ne sommes pas très bien suivis ici, parce que le travail que nous faisons ne répond pas à l'attente de l'auditoire. Il faut que nous ayons, nous allons dans le sens voulu par cet audimat parce que nous n'existons que parce que cet audimat existe. Donc c'est peut-être ça l'impact euh, qu'on peut attendre euh, et, nécessairement ça aura aussi des, effets sur euh, euh, les, les, rentrées publicitaires parce que euh, un, annonceur a plus intérêt à, confier son, annonce au niveau d'un organe de presse dont il sait il y a un certain audimat plutôt que de s'adresser à quelqu'un qui a un audimat amoindri. Autre aspect de ce forum, le syndicat autonome des magistrats du Niger Saman a entamé mercredi une grève de 72 heures pour dénoncer la lenteur du gouvernement dans l'adoption d'un texte qui attribue aux magistrats certains avantages dont la diminution de la durée de la jouissance de la pension de retraite, l'indemnité de risque ou encore celle de téléphone. Ayouba Hassan est le secrétaire général du Ben Saman, on l'écoute. Tous les bureaux de magistrats sont fermés, aussi bien au siège qu'au parquet, donc euh, aucune audience ne se tienne. À l'intérieur du pays aussi, on a des échos favorables, donc nos militants nous suivent bien. Par exemple, au niveau de la cour d'appel de Niamey, les assises ont commencé hier, mais pas le fait de la grève là, donc ces assises là ne vont pas continuer. Donc vraiment, on est satisfait de la grève euh, pour cette première journée. Quelles sont les conséquences de cet arrêt de travail observé par les magistrats Oui, les conséquences effectivement, donc euh, le, blocage des activités au niveau des juridictions, bah, d'abord les audiences et aussi tous les actes qu'on signe d'habitude, notamment les cas judiciaires, les circuits de nationalité et aussi les interrogatoires au niveau des cabinets d'instruction. Donc tout ça, ça a un impact euh, négatif donc sur le déroulement donc des activités au niveau de juridiction. Voilà. Donc vraiment c'est ça principalement. Nissa, journaliste indépendant, vous venez là de suivre le secrétaire général du Ben Saman. Quelle lecture faites-vous de ce qui, de ce qui, de ce qui venait d'entendre, ce que vous venez d'entendre ce que je viens d'entendre, c'est que <laughs> c'est une corporation qui est là. C'est une corporation qui, court pratiquement pendant je ne sais plus combien d'années à travers l'adoption d'un statut particulier et à qui on refuse. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une volonté réelle de, donner à cette corporation qui est quand même importante. Parce que c'est la corporation, c'est le dernier recours, la justice. Quand on ne se met pas dans la posture de comprendre que quand ça grippe un jour, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de détention, dans une situation de détention, qui vont être pénalisés. Il y a beaucoup, beaucoup pensent aussi qu'ils sont mieux traités, ils sont mieux payés que d'autres, euh, mais d'accord. D'autres, d'autres fonctionnaires de la. je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Bien évidemment, ils sont bien traités, on les met à l'abri. C'est ça, en fait, l'idée de base. Il faut les mettre à l'abri. Maintenant, est-ce que le fait de les avoir mis à l'abri là, ça empêche à ce que la justice soit rendue de manière équitable, de manière vraiment indépendante Toute la question est là. Tout le problème est là. Parce que tout simplement, et moi je fais partie de ceux qui militent pour qu'on crée les conditions pour que le parquet soit détaché. Le parquet peut être, mais que le parquet et une indépendance. Et ça a été décidé au niveau du Conseil quand on a fait les États généraux de la, de, la justice dans ce pays. Mais malheureusement, depuis 2012, ou je sais plus, c'est 2012 ou 2011, jusqu'ici, les conclusions des États généraux n'ont pas été mises en œuvre. Et ça, c'est un réel, un, un réel problème, parce que quand le parquet va être indépendant, à ce moment, il y aura une justice indépendante. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, que pensez-vous de ces points de revendication Sont-ils importants, sont importants pour engager le mouvement de grève Écoutez, euh, on peut peut-être, moi je ne suis pas dans une posture où je peux juger de, l'importance ou pas de, de, de, points de revendication d'une corporation, mais quoi qu'il en soit, du moment où déjà euh, au niveau du gouvernement on est accepté de, recevoir ces doléances et de se mettre à, s'y pencher, ça veut dire que déjà on est conscient qu'il y a une certaine injustice qui est créée au niveau de, euh, des différents fonctionnaires de l'État. Euh, personnellement, je trouve pas du tout juste que quelqu'un peut, soit euh, peut-être qui est servi l'État en tant que magistrat surtout, peut-être au bout de 20 ans, qui décède, euh, que qu'il laisse des enfants euh, mineurs et que ces enfants ne puissent pas bénéficier quelqu'un d'un quelconque appui de l'État en termes de, de, pension. Peut-être. Vous voyez, c'est peut-être un sentiment que j'ai personnel, mais qui peut-être est celui de, de, de beaucoup d'autres citoyens. c'est peut-être aussi le sentiment de, des magistrats qui les a conduits aujourd'hui à avoir à entamer cette grève qui, prend fin aujourd'hui. Et malheureusement, euh, quand les magistrats s'arrêtent de travailler un jour, les conséquences sont énormes. Donc c'est pour cela peut-être qu'on on espère vivement euh, que le, point de blocage soit levé. Alaï Suleiman Mahamadou de Niger en terre, quelles sont euh, ou pourraient être les conséquences de, ces grèves du Saman ben, le SG du Saman à votre question, il a dit que euh, ce seuls vont bloquer l'appareil judiciaire. Euh. Euh, alors moi, c'est que mon point de vue, j'ai suivi le SG du Sama, j'ai également suivi le ministre de la Justice qui a été interrogé par la radio Sraunia. il a dit en substance que la grève est illégale parce que pour lui, il a mis en avant un certain nombre de considérations. Mais il a surtout dit que le Saman sait très bien que leurs doléances ne peuvent être euh, passées que par l'absence d'une loi et que euh, donc l'Assemblée en plus dans les conditions de le faire. Bref, ça c'est l'argument donc du ministre. Euh, mais je pense que véritablement il va falloir que le gouvernement prenne en compte en tout cas ces revendications parce que je pense que le Saman, en tout cas comme on l'a dit, on sent une injustice en tout cas parce que vous ne pouvez pas cotiser et qu'on puisse faire un, distinguo entre vous et les autres euh, fonctionnaires. Ça n'a pas de sens franchement. La dixième édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, ouvert le 24 novembre dernier se poursuit activement du côté du palais du 29 juillet de Niamey. Cependant, les exposants déplorent la rareté des clients. Après euh, deux reports, pratiquement la dixième édition du SAFAM est censée prendre officiellement fin hier à 18h. Euh, pour plus de précisions, suivons ce reportage de notre collègue Abibou Garba. Nous sommes au palais du 29 juillet de Niamey où se tient le salon international de l'artisanat pour la femme sa femme depuis le 24 novembre passé. Un véritable marché très prisé par la population qui afflue sur les lieux. Nous sommes venus visiter les différents stands pour voir ce que nous pouvons acheter. Malheureusement, nous avons constaté que le prix d'accès au palais des sports a augmenté. Avant, c'était à 200 francs, mais maintenant, c'est à 300 francs CFA. Et pire, les articles sont trop chers également. Dieu merci, il y a différents articles de qualité. Le problème, c'est le manque d'argent. Tout compte fait, chacun aura en fonction de ses moyens. Actuellement, je suis venu chercher de l'encens. J'ai déjà trouvé un et je cherche l'autre. Les exposants venus de plusieurs pays tels que le Mali, le Togo, le Burkina Faso ou encore le Maroc qualifient l'ambiance de cette année de morose. La majorité des exposants que nous avons rencontrés se plaignent de la vente des articles. C'est le cas de Boris qui vient du Togo. Cette année, c'est pas comme l'année surpassée. Bon, la différence il y a des clients qui viennent demander, bon, ils disent qu'ils vont revenir, mais ils ne reviennent pas. Qu'est-ce qu'on va faire On n'est pas les choix. Donc c'est pas évident. Cette année, en tout cas, c'est pas facile. Hein. En venant même, les douanes à taxer. Les douanes a pris beaucoup d'argent. Arriver aussi à l'auberge, logement, tu dois manger. Donc euh, tout, tu vas avec les stands, 350 euh, 000 francs, c'est pas facile. Si certains déplorent la mévente, d'autres estiment que l'organisation de cette année n'a pas répondu à leurs attentes. Ça fait Organiser des arts culinaires ici et que nous, essayons de participer, ils refusent. Je crois que si on est là, toutes les personnes en plus de stands. Je crois que toute personne aussi doit participer à toute manifestation qui se passe ici. Même l'art culinaire, je crois que tout le monde peut participer. Et Alaï Suleiman Mahamadou de Niger en terre, les exposants n'auraient pas fait de bonnes affaires et certains venus de la sous-région déplorent qu'ils n'aient pas été impliqués dans le concours culinaire. Quelle est votre analyse rapidement sur ces deux aspects euh, Bon, j'ai été là-bas au moins trois fois. J'ai fait quelques remarques. La première, euh, j'ai vu, ils ont fait un, un truc pour accéder, il faut payer 300 francs. Je pense que c'est une défaillance parce que véritablement, quelqu'un, s'il a beaucoup d'argent, et chaque fois, quand tu rentres, il faut payer les 300 francs là. Rien que ça, ça fait un blocage. Euh, vous voyez un peu, c'est vraiment une remarque moi que j'ai à, à, faire. Mais aussi, de l'autre côté, il faut le reconnaître, comme les, articles euh, sont, sont très chers. Donc aussi, il va falloir, euh, sont des commerçants, savoir en tout cas profiter quand même, monter la barre très haute, souvent ça, ça, tu perds, tu, vois quoi. Bon, ils ont quand même une petite rallonge, euh, d'une certaine façon, c'est toujours comme ça, c'est comme un peu euh, la tamboula certains vont faire de bonnes affaires, d'autres vont toujours en tout cas perdre. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, le SAFEM a été rallongé euh, de plusieurs jours pour permettre aux exposants de faire des meilleurs chiffres d'affaires. Quel est votre avis sur euh, ce sujet, surtout que euh, ce n'est pas la première fois que cela arrive Écoutez, vous savez, on fait toujours des organisations parfois un peu en catastrophe. Excusez-moi l'expression. D'abord, on, met les prix des stands assez élevés. Et ensuite, on vient, on bloque l'entrée, il faut que les gens payent pour l'entrée. Alors que les gens qui ont, les exposants, ils ont quand même euh, 350 euh, 000 francs le prix du euh, stand. Le prix du stand. Alors, euh, vous voyez, et en même temps, vous fermez la porte du, marché et vous dites que tout celui qui veut rentrer dans le marché, il faudrait qu'il paye. ça, ça c'est quelque chose qui est dissuasif. Donc, ça ne fait pas forcément l'affaire de ces exposants qui ont à cœur de pouvoir rentrer de leurs frais, payer tout ce qu'ils ont dû payer pour ceux qui sont venus de l'extérieur, les frais des douanes, etc etc., les frais de confection, et pouvoir espérer faire des bénéfices. Tout cela a eu comme conséquence d'avoir des prix de, vente de produits assez élevés et qui ne sont peut-être pour la plupart pas à la portée de l'essentiel des, visiteurs. Ousse euh, journaliste indépendant, comment pensez-vous qu'on peut faire pour un meilleur SAFEM à l'avenir On évite ce qu'on a constaté, tout simplement. Un supermarché, quand je rentre dans un supermarché, on me paye pas, on me dit pas de payer pour entrer. Parce que quand je rentre, c'est pour acheter. Je viens pas dans un supermarché parce que je veux juste tourner. C'est parce que j'ai besoin d'un article, d'un produit, d'un aliment quelconque. Mais quand on me dit déjà, à l'entrée, on me dit de payer. Non. C'est bien de chercher l'argent. Mais quand on fait venir et on veut développer la chose, c'est qu'on doit créer les conditions d'assouplissement pour les pays étrangers qui veulent venir. Vous, vous, parlez de subventions non, non, je ne parle pas de subventions. Les produits qui vont, ils vont amener, les, les, les, produits, les articles divers qui vont amener, c'est qu'on doit détaxer. Ils sont en train d'amener des produits pour vendre. Mais on vient. déjà, tu, dois, en, en, entrant, tu dois euh, dédouaner les produits que tu amènes pour vendre dans, un salon. Mais à la limite. Sans compter les frais d'hôtel. Sans compter les frais de transport, les frais d'hôtel, le nombre de jours que tu vas rester. Le prix aussi, les frais du stand. Voilà. Et on dit aussi le client potentiel qui vient, on lui dit il faut il faut payer. Avant d'accéder, il faut payer. Mais ça pose problème. Il faut revoir tout ça. S'ils veulent que, parce que tout simplement, c'est ce qui fait que tout ce qu'on invente ici chez nous, ça nous échappe. Les autres, ils viennent, ils voient comment on est en train de faire et ils prennent, ils amènent chez eux. Et ça a toujours fonctionné. FESPACO, tous ces CIAO, les gens ont pris de chez nous, ils ont amené chez eux. Et ça marche chez eux. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Oussein Issa, journaliste indépendant. Alaï Suleiman Mahamadou de Niger Inter. Nous étions également avec Murtala Mahamadou, euh, journaliste à l'hebdomadaire satirique La Griffe. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkissa Hamidou pour le forum en Zarma euh, qui nous parleront de la capture et de la consommation des criquets au Niger. Merci, au revoir.